coalition euh, Yewwi Askan Wi initiative de Khalifa Sall maire de Dakar le mu déjà en novembre 2020 waxtaan ci ak Ablaye Wade waxtaan ci ak euh, Ousmane Sonko il ci ak Moustapha Sy c'est Moussa Moustapha Sy donc pour que nous taxawal une coalition à quatre c'est vrai que novembre 2020 ba y a parce que nous avons nañ au mois de mars avril parce que le président Abdoulaye a demandé à Khalifa Sall nous les les les deux autres partis à quatre au lieu que parti donc jusqu'à euh, avril les autres partis nous président a comme parce que le PDS était parti dans la dynamique de coalition locale dans chaque commune dans chaque département. Nous demandons à nos responsables nous nous ñañ fa eh, pour atteindre notre objectif vraiment de gagner le maximum de mairies et de faire perdre à la coalition Benno Bokk le maximum de mairies. Le ko euh, tere tout principalement ci format bi parce que nous sommes des japonais et ce ñu ngi ko aussi essentiellement également ci euh, coalition Manko au Sénégal bu 2017 bi bi ñu dem élection législative Nous avons dañ bi le ko est Sénégalais mais ñu dem ba investiture maay jiitu du ma jiitu maa ciy topp ki ki yee nekk fee tas ko. ci euh, élection locale yi ñu jëm une coalition ouverte à tous les partis. ñu nekk une cinquantaine de partis yu ci bëgg a bokk boo demaatee ba ci cëppaandaw la di nga amaat les mêmes problèmes wala sax yu gën a tar yaa ñu amoon en deux mille 2017 ñu ni de manière stratégique na xool quatre partis yooyu ñu tëral coalition bi définir les règles du jeu ubbi ko nag de sorte à ce que tous les autres partis yi ci bëgg bokk ak ci respecté charte bi mode de fonctionnement bi man cee ñëw bokk mais ñu ànd aussi àndu nawle boo xam ni duñu xol kii ci ndëkk a bokk wala kii ci mujj a bokk dañu xol ku nekk rek la nga yellool ak la nga xamni man nga ko yaakaar am nañ ko yaakaar ci yow ñu dénk la c'est pas historiquement c'est aussi politiquement et électoralement c'est pas seulement ça politique c'est la représentativité au niveau de la base surtout on dem ci élection locale donc fondamentalement booy dem base bi ñom ñoy investir base bi dañuy investir pour gagner bu investir pour gagner dañuy xol ña nga xam ni fa ëpp chance gagner donc dans tous les cas le PDS était euh, était gagnant dans cette coalition bu doxé ci yoon par contre par contre bu ñu bu ñu ci 2017 bi mala wax légui dañuy dem ba ci ba ci ci pandawli ñu tas yaakaaru Sénégal te ñun suñu responsabilité en tant que parti historique en tant que parti bi ëpp doole ci Sénégal en tant que le leader de l'opposition mënuñoo permettre vraiment donc ñi tass yaakaaru Sénégal les Sénégalais ne nous le par ne nous le pardonnerait pas parce que fay parce que PDS mom ak loolu mooy ben les le n'étaient n'était pas intéressé par une coalition qui les élections élection locale parce que son objectif d'abréger la souffrance la population yi le loolu la koy def le président Macky Sall donc nous avons une coalition bi dafay dem en 2024 la première conditionnalité bi nga parti démocratique sénégalais posé deuxième nous avons ni en 2024 du am kon partie parti coalition di fekk Macky le principe de loyauté jusqu'à jusqu'aux élections de 2024 quatrièmement euh, troisièmement ñu ni buñ à élection élection 2024 dañuy pour surveiller processus électoral mais chaque parti a droit pour présenter une candidature à l'élection présidentielle Et ah, ci nak ki nga les autres le soutiennent sans condition contre le candidat de Benno Bokoyakar éventuellement. Euh, et dernière, dernière conditionnalité bi ñu posé mooy ni bu dem ci investiture yi investiture gagnante moi ni duñ ko qui ci yaama neex dañu xool parti bu va fa nga

taxawal ak Ousmane Sonko taxaw Dakar ak pur ñu dem ba ba mu bañ ba ñu ñu ni gis ñu suñu bopp yaakaaruñu lii baax na dañ leen baye ñoom ñu dem ak seen yef ñu ñu delu waxtaan ak ña nga xam ni façon nor nañu waxtaan ak mom après et yalla def ñu am dego donc dal li taxawal coalition bu bes bi nga xamni gis nga ko fofu nak ma bëgg fu aussi rassurer les Sénégalais parce que ñu bari principe parce que l'opposition dans deux trois coalitions que que euh, avec de moindres chances de gagner c'est pas vrai c'est pas vrai de toute façon c'est utopique l'opposition must dem élection unie en un seul bloc Ablaye qui est président à mon président il y a autre candidat de l'opposition yu autre candidat président Macky Sall bi en 2012 a un candidat président yu est euh, à côté de lui donc une coalition de façon n'est pas indispensable pour pouvoir gagner les Gorkohat. l'exemple le plus patent c'est Djidde Thiaroye gagné en 2014 le PDS était tout seul face à la coalition Benabokéakar. Bokk que d'abord commencer par ñaaw ñaawlu ci lool attitude donc du ministre Amadou Hott ñaaw ñaawlu ko parce que c'est pas digne d'un intellectuel et d'un technicien de son rang ak ni ko Sénégal yi jàppoo jàppee parce que quand il y a une réalité un service de ton département ko en tant que ministre amul droit pour décrédibiliser un service comme A ANSD parce que comme institution institution de référence au Sénégal et en Afrique nous avons de mauvais investissements. Investissements, investissement investissement entreprises étrangères les favoriser nous jël li Sénégal nous avons fay Alstom entreprises indiennes chinoises voilà c'est les options d'investissement les options de politique économiques du président Macky Sall qui sont mauvaises et qui, sont en fait au détriment des, euh, de la, en fait, des couches les plus importantes du Sénégal, ce sont les couches paysannes, ce sont les couches euh, citadines qui sont laissées en rade dans les priorités d'investissement du président Macky Sall. la cause fondamentale donc, de, euh, de cette avancée, de cette percée donc, de de la pauvreté Sénégal c'est le ministre donc euh, des Affaires étrangères. Je dis, il ne peut pas y avoir autant de scandales dans un ministère et le ministère reste encore en place. Parce que le minimum de, décence républicaine aurait été que mon, son service est entaché dans des opérations de fraude au passeport mu tek ndombal ba ba mbir mais je pense que dignité bobu gisuma ci ministre Macky Sall koo xam eh, eh, maintenant le troisième élément qui est encore le plus fondamental c'est que le président Macky Sall ñi ànd ak dañoo impunité le cas du coût, combien de milliards le cas de la Poste combien de combien milliards le cas du Prodac 29 milliards les cas les scandales se sont multipliés 2012 Le président Macky Sall reconnaître est un champion en ça Il protégé des malfaiteurs dans son camp. Je pense qu'il n'y a que les niais d'esprit qui pensent le contraire. Le président Macky Sall, c'est terminé. Alors, ça signifie quoi Que la coalition Benabok Yakar est terminée, Tamit. c'est une unité de façade. Mais nous avons foule, nous avons faïda. Nous pas un avenir politique. ils seront candidats pour les élections locales. Parce qu'ils savent que le président Macky Sall, si ils sont ni oui, ni non, pour me retenir mais quand tu retenir l'élection locale euh, le président Macky n'a plus rien à te donner parce que de toutes les façons si tu es local, nous on va 2022 koy obligé 2022 législative ça c'est c'était un des points bi ma fait la plateforme que le PDS avait inscrite euh, que le PS avait inscrit sur la plateforme de Yahweh, que le premier enjeu élection législative m'a ñu le président Macky Sall mu organiser en juillet 2022. Euh, déjà à l'image du PDS le parti démocratique sénégalais war nga une opération donc de vente des cartes et de comptage de ces militants tey fumé vous assemblée générale dans toutes les sections dans toutes les fédérations à travers le Sénégal commissaires de remettre les cartes installer installer les commissaire pour que nous ñu démarrer la vente des des cartes Guide Thiaroye est aussi dans cette dynamique donc le premier élément bi préparer et ça, c'est une manière très intelligente. Vous savez, le Parti démocrate sénégalais innové. Parce que si nous avons une élection, nous devons lâcher, toucher aux structures. Nous nous avons dit non. Il faut nous compter en allant aux élections. c'est cette première opération de vente des cartes que nous sommes en train de faire. Et c'est aussi des instants d'animation du parti. Parce que dans toutes les sections, il y a réunir ña ngay jaayee carte ña ngay waxtaan ña ngay dem campagne yi seen di campagne pour jaay leen carte mais di une campagne pour ñu voter leen ci élection locale yi donc ça signifie que nous faisons d'une pierre deux coups animation euh, politique or réorganisation ak animation électorale ñoo ci non non non non. Ah, ça non non non non, non, dire que euh, c'est encore une petite unité de façade c'est un conglomérat de gens qui pensent à leur avenir cest dire que man bokk Bokk Makissal nek ministre nek premier ministre nek président assemblée nationale nek président de la république di dem à la traité man may doog a politique mu bëgg maa yóbbu à la traité xel mënu koo xalaat moom pare na il a eu tous les postes yi nga xamni nit mën nako koo ci politique ñeen yéen gunge ma je vais dans la tombe mais je vais vous euh, donner, euh, de dama emporter avec moi dans la tombe donc ça signifie que tay ken ku nekk si mi ngi jaar si sa yoon di wut say nit bu ñu ci élection nga présenter sa candidature bo nikul candidat bi nga xam mom le président Macky Sall euh, tànn ku ci nek wut nga alternative bo il faut reconnaître euh, au pouvoir que def un émissaire un canal parce que xam nga en 2000 bi bi ñu jógee ci inondation yu métti 2005 président euh, président Ablaye Wade dafa tabaxoon ay bassin de rétention jidda jaare ko am na si ñetti bassin yoo xam ni bu masaa taw ñun dañuy branché suñu moto pompe di tour ci bassin yooyu projet bi mu mu def ko un canal bassin yëpp la taqale jidda caare kaw waxinaan nimsaat yëmbal nord yëmbal sud mu dem ba Malika muy muy tuuru géej moo ni kon on n'a plus un problème de bassins qui sont remplis même si nous avons des défaillances de ONAS ci entretien bassins pour que ñu mën a fonctionnel comme nous comme nous mu alors euh, quand le président euh, Macky Sall quand le projet quand le pouvoir central def na investissement à hauteur de près de 37 milliards Nous depuis 2015 parce que 2014 depuis 2015 nous avons entrepris une politique de taxawal ay réseau de drainage secondaire parce que 2014 bi may doog maire 392 familles le nungu familles la doon def par classe dans toutes les écoles de Djeddah Thiaroye Kaw daanaka mu nekkoon lu ma naqari li, Inshallah, lii incha ci biir Djeddah Thiaroye Kaw alors à partir de 2015 may défar ay réseaux secondaire bu muy xalisu mairie bi bopam muy partenariat bo xam dañ koy am ak yenn ONG wala yenen projet euh, yi nek fi wala muy ay fonds yo xam dañ ko jël ci Pakistan nous sommes à près de 3200 mètres linéaires de réseau secondaire de canalisation des eaux de pluie yo xamni mairie de Thiaroye Kaw mom moko ko et loolu moo ba Djidda Thiaroye Kaw bi épicentre inondation nénal nénal 2014 392 familles ont ndokh mi mbënn mi nu ngu nous avons depuis Dao daw gis nga mbënn mi ni metté won keur Massar ren également gis nga ni metté dans plusieurs communes du département de Pikine bo démé yembal bo démé keur Massar bo démé même Thiaroye gar gii ñu dendal bo démé Gounass fep ngi bënd mais di Thiaroye Kao amatul mbënd depuis 2015 chaque année ñu defar ñu organiser ay cours municipaux de des de, de, de cours de vacances municipaux avec des cours de renforcement municipaux Rennes, Rennes, nous avons 4000 élèves comme les, années passées. Et ces efforts, nous sommes à la sixième édition, parce que depuis 2015, nous avons élèves. Nous reflétons les résultats extraordinaires. En 2014, nous étions, en termes de résultats scolaires, 15e sur 16 en termes de résultats scolaires au niveau du département de Pikine Djeddah Thiaroye ko moo nekkoon avant Ndaare depuis où nous sommes Et di le centre vraiment de leen il y Dakar Dakar Actu, Je di leen félicité bu que a baax bi En 2016, a dugg 2016 la Dakar Dakar depuis lors je suis leen suivre dans les réseaux sociaux donc vous avez fait vraiment des bons euh, très très en avant ba ñi Dakar Actu qui était le leader mais c'est un travail acharné nous Dakar Actu def félicité bu mais aussi di len ñaan dans des thématiques de développement ñew ci les cours de vacances de couvrir les opérations de reboisement yi mairie de couvrir